Bonjour. Nous allons vous lire le communiqué numéro 33. Ce vendredi 3 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de sept cas importés. Ces sept cas importés concernent des compatriotes revenus d'un pays africain interceptés à la frontière le 29 mars 2020 puis placés en quarantaine à Velengara. En dehors de ces sept cas importés, nous avons cinq cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 11 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 66 guéris, 1 décès, 1 évacué et 139 actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective Molire Len communiqué au Taïbi. Taï Adjouma, Nyatifan avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Jodna, examen testé. si téeméer ak juróom fukki ñett ak test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif fukk ak ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy kaa yu jote bigim réew ma yëgal ne juróom-ñaar yooyu suñuy mbokk la compatriote yu demoon tukki Nous avons tey leen frontière Vélingara testé le 29 la ñu yegg si ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro bu dul juróom-ñaar positif ñoo ay contact la suivre ma yëgal tam ne fukki patient ak benn yu ñu hospitalisé woon ministère la santé mu ngi leen di yëgleel yeneen patients yi ñu ngi yëg tan si bésu tey bi bu ñu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom ñaari cas la ñu déclaré fii si senegal juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn cas de décès la am ak kenn ku ñu évacué ñu jàpp ne